le forum du studio le forum du studio Calam le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du forum passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou. Vous avez à la présentation Michel Deji. Nous rappelons que les programmes du studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique d'une vingtaine de radios partenaires qui émettent dans tous les chefs-lieux des huit régions du Niger ainsi que dans les localités d'Arlit, de Tirozerine de Bouza, de Tamaské, de Meinosoroa, de Magaria, de Mayayi de Bengengaure, de Dolbel et de Saï. Aujourd'hui, vendredi 21 juillet 2017, le forum de la presse est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine dont, entre autres, nous avons eh, l'insalubrité grandissante dans la ville de Niamey, Ensuite, nous parlerons de l'évaluation nationale des enseignants contractuels créée en mai de l'enseignement de base, une euh, évaluation qui a été organisée malgré la grogne de certains enseignants et le boycott lancé par leurs syndicats, notamment la cause Niger, le SINASEB et même la Fusaine. Puis suivra cette euh, question d'actualité à propos du verdict euh, infligé à Babalfa déchu de ses droits civiques et politiques euh, pour les dix prochaines années. Dans la foulée, nous évoquerons aussi le cas du fondateur du journal Le Courrier, Alice qui a été entendu mercredi dernier par le juge d'instruction dans l'affaire qui l'oppose au ministère public. Au plan politique, nous parlerons de la création d'un nouveau regroupement dénommé Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger. Dans le domaine du sport, nous allons parler de la participation du Niger au huitième jeu de la francophonie qui débute ce soir même à Abidjan en Côte d'Ivoire. De la réélection du colonel-major Jibril Himadi Pele, dimanche dernier à la tête de la Fédération nigérienne de football ainsi que de la déclaration d'un collectif de syndicats du secteur de la jeunesse et du sport qui exige le départ du ministre Kassoum Mokhtar. Avec nous ce soir pour développer ces différents thèmes, nous avons Garé Amadou, qui est journaliste au quotidien La Nation. Garé, bonsoir. bonsoir. Nous avons Issa Madougou du groupe de presse Radio et Télévision Ténéré. Issa, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons euh, comme troisième invité Arémi Abba, il journaliste au groupe Alternative. Bonsoir Arémi. Bonsoir. Chers invités, merci d'avoir répondu présent à ce forum. Le premier point, c'est cette euh, situation d'insalubrité que nous vivons au quotidien dans la ville. Niamey étouffe sous des déchets, c'est ce qu'a dit le chef de l'État Issoufou Mohamedou vendredi dernier lors de sa visite aux alentours du marché Diamagué. Et les choses ont vite évolué car l'endroit visité a complètement changé de visage en ce moment et le maire central de la ville de Niamey révoqué à la date d'hier en Conseil des ministres. Je vous propose d'abord d'écouter les propos de Issoufou Mamadou au terme de cette visite. C'était vendredi dernier. La ville euh, de Niamey étouffe euh, sous les déchets. Il y a des ordures euh, un peu partout. J'ai appris que hier, nuitamment. Des travaux de nettoyage ont été faits parce que euh, les autorités locales ont été informées de la présente visite je dois leur dire que c'est pas moi qu'il faut servir, c'est pas le président de la République qu'il faut servir, c'est les populations de Niamey qu'il faut servir. Et pour cela, il faut nettoyer la ville de manière permanente. Les autorités locales ne sont pas au service du président de la République, elles sont au service des citoyens de Niamey. Donc au regard de la situation, je demande euh, au ministre de l'Intérieur et à toutes les autorités concernées de me faire des propositions énergiques pour améliorer la situation au niveau de la ville de Niamey, pour mieux assainir la ville euh, par conséquent, dans les prochains jours, nous serons obligés, nous, de prendre nos responsabilités. Le président de la République est Soufou Mohamedou Isamadougou de la radio et télévision Ténéré. Quelle réaction vous suscite euh, cette euh, déclaration du chef de l'État Merci Michel. Euh, je pense qu'après six ans de pouvoir, ce n'est pas après six ans qu'il faut se rendre compte que Niamey est sale. Niamey s'apprête en 2019 à acquérir le sommet euh, de l'Union africaine. Et bien avant, Niamey a accueilli plusieurs euh, rencontres internationales. Niamey est sale, il faut le dire, mais ce n'est pas maintenant. En fait, franchement, moi, j'ai apprécié les propos du président, mais j'ai dit que c'est un réveil tardif. Mhm. Et c'est trop tardif, parce que ce n'est pas maintenant que le président va savoir que la ville de, Niamey est sale parce que l'insalubrité aujourd'hui, c'est que de pollutionnel. Niamey croule sur des déchets. Ce n'est plus une ville. Niamey, c'est vraiment devenu autre chose à l'image des autres capitales de la sous-région. Mm-hmm. parce Parce qu'il faut d'abord le civisme des populations et deuxièmement l'activisme des élus locaux. Parce qu'on les a élus là-bas pour qu'ils fassent un travail. Mais ce travail n'est pas bien fait. Mais il ne faut pas aussi les condamner directement parce que nous tous, nous savons qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens nécessaires de leur politique par rapport à l'assainissement. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la mairie ne dispose pas. Depuis que pour des affaires politiciennes, Dogari a été déchu de ses fonctions de maire central de Niamey, la communauté urbaine, si on peut le dire, à, à euh, fonctionne kahinkaha, hmm. avec des arrêts de salaire, des gens qui n'ont même pas de carburant pour ramasser les déchets parce que la chaîne de ramassage de déchets, c'est en trois parties. Hmm. Il y a le balayage, le ramassage et la transformation, le recyclage. Mais au Niger, nous avons que ces deux et il n'y a pas de moyens qui sont investis. Mais au temps de Dogari, on sait qu'avec le maire de Trècheville, il y avait un accord qui a été signé avec lui, où nous allons avoir cette troisième phase qui nous manquait beaucoup. Même si on prend les déchets, on les ramasse, euh, les camions de la mairie viennent les prendre, on sait que c'est juste dans la périphérie qu'il faut les déverser. Et là-bas aussi, c'est encore un autre problème. Mais moi, je pense que la situation, ce n'est pas le fait de sanctionner les gens, sanctionner d'abord, c'est bon, il faut sanctionner quand il a les problèmes, mais quand même, il faut savoir sanctionner, situer le problème là où ça se situe. Parce que tout le monde sait qu'il y a cette manière aujourd'hui de, ne pas accorder les fonds nécessaires mmh. que le ministre des Finances a nié. Et mais pourtant, le maire était sorti, le maire central, l'ancien, euh, l'ex-maire Hassan était sorti pour dire que non, c'est que le ministre de euh, des Finances avait eu à dire, ce n'est pas vérifié, parce qu'eux ils disposent des fonds. Voyez-vous, c'est un peu le problème est un peu complexe. S'il mm. faut sanctionner, il faut sanctionner. Je suis d'accord pour les sanctions. Quand vous ne faites pas votre travail, je suis entièrement d'accord qu'il faut sanctionner. Mais avant de sanctionner, il faut pouvoir situer véritablement où se situe le problème. C'est là le problème. Mais le président, il a fait un réveil tardif. C'est maintenant que moi, je suis très cité. Non, oui, oui, tout à fait. Non, j'ai dit, franchement, moi j'ai apprécié ces propos. Mais quand même, c'est que la question que je me pose, après six ans de règne, c'est maintenant que le président se rend compte que Niamey est sale. Alors, quel est le rôle de ces multiples conseillers Pourtant, nous, nous savons tout bel et bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans des difficultés financières. Mhm. Nous allons euh, vous prendre, euh, euh, Abba, du groupe Alternative. Est-ce qu'on peut dire que cette révocation du maire central de la ville de Niamey était prévisible On a bien entendu le chef de l'État qui demandait à ce qu'on lui fasse des propositions énergiques. Écoutez, moi, je suis, ça me fait un peu patauger ce genre de décision, ce genre de euh, sortie, euh, je dirais, médiatique. Mhm. Euh, c'est-à-dire, à écouter le président de la République, c'est comme si, de tout temps, il a ignoré dans quelle situation Niamey se trouve. Mhm. Or, pour moi, c'est tout simplement un aveu d'échec de Niamey Niala. Mhm. nous l'avons dit, les travaux euh, pharaoniques gigantesques qui sont en train d'être réalisés, on a dit et répété que ce n'est pas la priorité euh, dans le contexte de notre pays, dans le contexte de notre capitale. Nous avons dit, nous l'avons répété, les gens ne veulent pas écouter. Aujourd'hui, euh, tous les égouts de Niamey sont bouchés par la saleté, parce que la population qui doit avoir un certain comportement ne l'a pas, on jette n'importe quoi, n'importe où, de toute sorte qu'avant que la saison des pluies ne vienne, tout, euh, toutes les issues d'évacuation de, de, d'eau euh, sont bouchées. Et aujourd'hui, avec la saison de, saison de pluie, on se rend compte que euh, Niamey est extrêmement sale. Aujourd'hui, tous, on sait que autour de chez nous, c'est souvent insupportable. rares sont ceux qui vont rentrer tout de suite en quittant ce studio sans traverser deux, trois tas d'immondices, même quand tu remontes la vitre, l'odeur t'accable. Donc c'est vraiment un aveu euh, d'incapacité, mais ceci étant, vaut mieux que jamais. Cette incapacité, ça revient à l'exécutif ou à... quand on entend, quand on écoute le chef de l'État, il dit y a eu des investigations. On a l'impression que c'est plutôt les élus locaux, c'est-à-dire les maires qui ont, échoué. on, nous a, nous a, fait croire mhm. que la ville de Niamey appartient à l'exécutif. Mhm. Euh, il y a quelques mois, nous avons assisté à cette pour, soi-disant embellir la ville de Niamey, mhm. combien de pères de familles ont été appauvris Combien de boutiques ont été cassées On se rend compte que tout ça pour ça. C'est très peu de résultats vraiment vu tout le mal qui a été fait. Donc aujourd'hui, l'exécutif, qu'il le veuille ou pas, c'est de sa responsabilité. Nous avons vu des centaines de personnes manifester n'est-ce pas, des grèves de mois perlés, des arriérés de, mois, de, salaires incalculables mhm. pour ces personnes qui sont chargées d'évacuer euh, ces, ces, immondices-là. Aujourd'hui, on vient me dire, euh, comme ça, euh, vraiment, on me parachute pour me dire que non, Niamey est sale. Mais Niamey ne peut être que sale. Et le problème problèmes de Niamey, euh, sincèrement, il n'y a pas que cette saleté. Circuler à Niamey aujourd'hui, c'est un problème. Il y a des quartiers, après une pluie de 20 mm, c'est inaccessible. Euh, le problème de Niamey, c'est énorme. C'est pourquoi il fallait attendre, à tête reposée, prendre certaines décisions. Euh, je ne dis pas que les échangeurs, c'est inutile n'est-ce pas C'est joli. Quand on montre ça à l'international, tout le monde est fier, est content. Mais aujourd'hui, tous les goudrons qui relient les quartiers, dans quel état ils sont donc vraiment, euh, sincèrement, l'exécutif ne peut être que euh, responsable de cette situation. Je pense que c'est la solution un peu facile. Mmh. Euh, pour moi qui suis journaliste sportif, c'est comme quand une équipe ne marche pas et qu'on saute tout simplement l'entraîneur. Donc ça, c'est le premier fusible qui vient de sauter. On va justement arriver euh, au, sport dans ce... Tout à fait. On va, on va prendre Garé. Donc, euh, oui, Garé du journal La Nation, cette euh, révocation, quels pourraient être ses enjeux d'un point de vue politique, parce qu'on sait que Hassan Seydou est un militant d'un grand parti allié du pouvoir quand même. Et est-ce qu'on peut à présent espérer un changement positif à tous les niveaux sur euh, les questions d'hygiène et d'assainissement dans la ville de Niamey Sinon, comment faire pour euh, arriver à bien remédier à ce problème. Oui, comme l'ont dit déjà mes deux confrères, je crois que mieux vaut tard que jamais. Mm-hmm. C'est vrai que Niamey, c'est une ville sale, c'est-à-dire que c'est même pas la peine de le dire, c'est clair. C'est-à-dire qu'il suffit de circuler, n'est-ce pas euh, On voit bien qu'il y a des dépotoirs un peu partout dans la ville et le constat du président, en fait, la sortie du président, euh, c'était plutôt un signal d'alarme, en fait. Les gens n'ont pas compris. Les gens pensaient que c'était une opération de communication, non. Et les gens ne savent pas que avant que mm-hmm. le président ne sorte, il y avait déjà une inspection qui avait été menée au niveau des mairies. C'est l'inspection, le retard de l'inspection qui lui a été, qui donné, qui l'ont amené à sortir parce que les résultats de l'inspection sont accablants contre le président du conseil de ville de Niamey. C'est ça que les gens ne savent pas en fait. Il y a une inspection au niveau de l'hôtel de ville et les résultats sont accablants. Et quand le président a vu ce rapport-là, il s'est dit bon, euh, ça c'est très grave. Parce que ça veut dire qu'il y a des moyens de faire au moins quelques opérations, mais on ne fait rien. Parce que contrairement à ce qu'il euh, s'est dit, il dit que c'est un problème de moyens, que l'État ne met pas à la disposition de moyens. Mais le simple fait que quand le président, quand les gens ont entendu que le président allait venir, on a vu le travail qu'ils ont fait. Ce mhm. n'est C'est pas dans leur poche qu'ils ont enlevé l'argent pour mettre le carburant dans les véhicules. Hein. Non, ça veut dire qu'il y avait les moyens de faire quelque chose. Les gens ne faisaient pratiquement rien. Peut-être qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur peut-être. On avait le cas de Hassan Seydou. Parce que... Ils ont eu peur parce qu'ils savent qu'il y a eu l'inspection. Mhm. Les résultats de l'inspection sont au niveau de la présence. C'est ça que les gens ne savent pas. L'inspection au niveau de l'hôtel de ville de Niamey, l'inspection qui a été menée, le rapport a été fait et déposé au niveau du président de la République. Le président l'a lu. Après l'avoir lu qu'il est sorti. Les gens ne savent pas ça. Donc, il connaît la situation financière. Ça veut dire que, que, tout était déjà prévisible, on peut dire. Non, ce en fait, le problème, la, visite était, tout à fait normale. Parce que quand on dépose un rapport accablant au président de la République, mais il est étonné. Mhm. Parce qu'il voit bien que, et, contrairement aux idées reçues, c'est pas que les mairies n'ont pas les moyens de faire au moins le minimum. Parce que moi, je dis, je ne dis pas de balayer chaque jour, mais au moins on peut ramasser les ordures chaque week-end quand même. N'est-ce pas Mais laisser, par exemple, le petit marché, les, immondices, c'est impossible de passer vers le petit marché, là, le, le, le comment on appelle ça, le marché. C'est impossible quand il pleut. C'est tellement dégoûtant, vous allez étouffer. Et je vous assure, si vous restez 10 minutes dans les paradis, si vous n'êtes pas habitué, les commerçants, peut-être, ils sont habitués à, Mais si nous qui ne sommes pas habitués, si on reste là-bas là, 10 minutes, je vous assure, on va étouffer. Quelle serait la bonne solution maintenant La bonne solution maintenant, c'est un signal d'alarme. Parce que vous savez que les, conseils de ville, déjà, ils vont, leur, mandat arrive à expiration le 16 août. Les gens ne le savent pas aussi. Donc, ça veut dire que après le 16 août, là, c'est sûr, leur mandat ne sera pas reconduit le 16 août. Là. Ça veut dire qu'il y aura certainement une délégation de pouvoir et il y aura des gens qui vont être nommés, qui vont gérer les municipalités. Et là, c'est un défi. C'est-à-dire que maintenant, les défis sont encore plus grands. Ceux qui vont remplacer, ceux qui vont venir, ils doivent savoir qu'ils ils ont une obligation de résultat. Parce que la politique avait tout gâté. Vous savez, au niveau des mairies, c'est oui, l'élection du président du conseil, c'est les alliés. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un allié du PNDS qui a été, qui a été éjecté. Et c'est un signal. Ça veut dire que ceux qui sont, ceux qui sont maires, qui sont par exemple de l'opposition doivent se dire une chose. Si la majorité a sacrifié un allié, mais il ne faut pas vous attendre à ce qu'il fassent des cadeaux à ceux qui sont aussi de, l'opposition, c'est clair. Ça veut dire que le même bâton va taper. Et je suis heureux, justement, que ce soit un allié même qui soit, sanctionné. Parce que sinon, les gens allaient faire tout un montage pour dire que oui, euh, c'est parce qu'il est de l'opposition qu'on l'a sanctionné. Il y a des maires de, la majorité qui n'ont pas sanctionné. Heureusement que ça de la majorité. Il Modogo a envie de dire euh, en quelques mots. Eh, euh, par mhm. rapport à ce que Gary vient de dire, mais écoutez, si les mairies, on sait qu'ils sont dans un prolongement, il y a une violation flagrante de la Constitution et des dispositions réglementaires qui, est, là en flagrant délit quand on a euh, prolongé leur mandat. Maintenant, le problème des moyens dont je parlais tout à l'heure, Gary, c'est une réalité. Les mairies n'ont pas les moyens. Je vous assure combien de fois les maires, ils savent même pas quoi faire parce que le problème s'est posé où c'était au départ. Au départ, les gens ont, apprécié le fait que tout soit centralisé au, Trésor national. Hum. Parce que l'efficacité de la dépense au départ, au premier, à l'aube du régime de la Renaissance, l'efficacité de la dépense était une priorité pour le président, le chef de l'État. Les gens ont apprécié. Mais par rapport, les gens ont vu que non, il y avait des limites à ça, le fait de centraliser ça. Mais maintenant, quand vous parlez de, délégations, c'est probable remplacement de ces maires. Mais moi, je suis sûr que le gouvernement ne jamais. Ils vont encore prolonger. On va continuer dans la violation de la loi. Parce que si le gouvernement se hasarde à nommer des administrateurs délégués, vous savez combien de milliards ça va perdre au Niger Tous les financements en soutien aux collectivités territoriales vont stopper. Parce que les organismes qui les soutiennent ne sont pas présents tant que les élections locales ne se sont pas tenues, tant que ce ne sont pas des élus. Mais si c'est des postes nominatifs, ils ne soutiennent pas. C'est pour cela qu'il y avait. Pour la question de moyens, on a vu même euh, les grèves euh, qui ont été répétitives au niveau des syndicats jusqu'à accumuler sept mm, mois, près de sept mois de salaire et tout ça. Mais, maintenant, qu'est-ce qu'il faut proposer par rapport à ça pour terminer Un mot juste pour terminer par rapport à ça. J'ai quelque chose contre ces gens-là. Sept mois de salaire, ces gens-là ne le. Mais si c'est un enseignant qui accumule deux mois de salaire, on le ressent sur eux ils ont les moyens, ils savent comment l'Amérique, parce qu'il n'y a pas la transparence dans la gestion de leurs moyens financiers. Même aujourd'hui, le maire qui a été déchu n'est qu'un bouc émissaire. Tout le monde sait, il y a un problème de coordination aujourd'hui dans la gestion de la ville. On a un ministère de la ville, on a le programme Nyamenyala. J'ai vu le cas de la Côte d'Ivoire, le ministère de la ville et de la salubrité. C'est une instance de coordination qui propose des programmes et qui les exécute, ce sont les communes. Aujourd'hui, il y a ce problème-là qui est là. On a tout ça. Le ministère Salah n'a même pas à, à, à, sa disposition. C'est le PGC régulier. Tout le monde sait un hein, secret de polichinelle, même pour leur déplacement. Il a fait combien de temps avant de trouver euh, euh, un, local Il était euh, un ministre qui logeait dans le siège de son parti. Non, que qu'on prend des choses, on copie, or que la réalité est là. Nyame Niala, on l'a lancé. Quand ça marche, on dit c'est Nyame Niala. Vous avez vu l'avenue des armées Quand ça a été rénové, on a dit ah, c'est Nyame Niala. Mais quand Nyame, est sale, c'est les mairies. Mais c'est quoi ça Mais nous sommes dans quel pays C'est pas que nous voulons, ce pays nous appartient. Niamey nous appartient tous. Quand Niamey est à l'image d'Accra, on va tous applaudir. Mais quand Niamey est à l'image d'une ville poubelle, c'est normal qu'on décrit. Il faut qu'on dénonce parce que c'est une Dénoncer, proposer alors quelque chose. Oui, mais proposer, mais c'est ça, je, l'ai dit dans ma première intervention Il y a l'incivisme déjà des populations. Incivisme, Gagé, oui, pour terminer. il faut quand même, il faut quand même les choses. Hein. Euh, c'est-à-dire que niamey Nyala c'est la création de nouvelles infrastructures, alors que la mairie, les opérations de salubrité quotidienne appartiennent à la mairie. C'est pas niamey Nyala qui fait la salubrité. Non, non, non. donc il faut, non, c'est important. Il faut pas. pourquoi quand ça marche Il faut pas. Non. Le président a dit que c'est sale. Le président n'a pas dit dit, le président a dit quelque chose de très clair. Le président a dit que la ville nous est allons, sale. Nous allons donc. Il n'a euh, pas dit que Niamey, il dit la ville est sale. Et la, la, la salubrité de la ville est sale. Passons à présent à la question de l'école. Le ministre de l'enseignement primaire a procédé samedi passé à l'école primaire Yantalaho Sarei de Niamey au lancement officiel des épreuves écrites de français et de mathématiques pour l'évaluation nationale des enseignants contractuels créés en main de l'enseignement de base. Au total, ce sont 61 888 enseignants inscrits qui sont concernés. En attendant la publication officielle des résultats de cette évaluation, il faut noter qu'elle reste toujours très contestée par les syndicats des enseignants, dont le SINASEB qui a déploré une cinquantaine d'arrestations à travers le pays. La plupart ont été libérés, mais dans la région de Tilaberi, 11 militants de la commune ont été déférés à la prison civile et 13 dans celle de la zone de Terra à la date du 18 juillet 2017 garé euh, de la nation. Qu'est-ce qui peut expliquer ce bras de fer euh, entre syndicats du secteur de l'éducation et les autorités en charge euh, de l'éducation Oui, vous savez, moi, ce que j'ai toujours dit, la grève, c'est un droit. Mm-hmm. Le boycott aussi, c'est un droit. Mais moi, quand je boycotte, je n'empêche pas à ceux qui veulent faire de faire. Mais c'est pas normal que les syndicats aillent dans les centres pour empêcher aux gens de rentrer. Ça veut dire quoi ça Vous pensez que c'est normal Vous pensez que ça c'est. Si vous boycottez, eh bien, dites vous les syndicalistes ou ceux qui vous suivent, de ne pas partir dans les centres. Hum. Mais vous n'allez pas passer, pousser, et, vous allez dépasser les bornes jusqu'à aller dans les centres pour empêcher aux gens de, de, concourir. Ça veut dire quoi C'est pas normal ce que les syndicats ont fait. Laissez les gens faire. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que c'est un désaveu pour les, pour les syndicalistes. Parce que les informations qui sont revenues, c'est que pratiquement euh, l'écrasante majorité de ceux qui étaient inscrits sont partis. À part les régions de Dosso, Tilaberi, où il y a eu des remous, pratiquement euh, ceux qui étaient inscrits sont, sont partis vers Issa, Issa par, rapport, par rapport à ça, c'est vrai, c'était des mots d'ordre. On avait dit aux enseignants de ne pas aller, mais certains, bon, ils, jugeaient, ben, ils ont jugé utile d'aller quand même. Dans, un, premier temps, je veux abonder dans le même sens que Gary. mais ça, je ne veux pas glisser parce que c'est un droit. Il faut boycotter. Mhm. Mais quand même, l'évaluation elle-même, elle a son fondement n'est pas justifié. Parce que les gars disent que, oh, je peux pour ne pas être trop vulgaire, le ministre le a ministre dit, Marté. que il faut donner de la valeur à ce secteur en améliorant la qualité de l'enseignement. Mais le problème, il faut l'attaquer à la racine. Parce que le système éducatif nigérien, le problème que les gens refusent de reconnaître, c'est que c'est un fourre-tout. Toute loi de révision, on vient, on l'insère. Il y a la Lausanne, il y a telle loi par-ci, il y a telle loi par-là. Depuis l'introduction de du système, de ce nouveau système-là, pour lire et pour écrire, avec ces manuels-là que l'INRAP est en train de faire, où vous allez trouver un petit enfant qui va vous réciter le livre en entier, la mère de Sani. Vous lui dites, montrez-moi le mot mère. Il est incapable de le faire. Ce sont les fruits de ce système-là qui sont en train d'enseigner et c'est bien normal. Il fallait attaquer le problème. C'est où le problème ça se passe Ça se passe parce qu'il y a une manque, euh, comment on appelle, une, un besoin criard de voir la qualité dès au départ. La qualité, le ministre a pensé que c'est d'abord le niveau des enseignants. enseignants, mais enseignants-là, ils sont issus de ce système-là, ce système qui a été cassé. Avant, tous mm. ceux qui ont fait, par exemple, tous ceux qui ont fait les écoles, l'école primaire antérieure avec les systèmes, la famille Boda, Mamadou Bineta et consorts, savent bien lire et écrire et reconnaître avec un vocabulaire, un lexique bien fourni. C'est la même chose jusqu'au lycée Voyez-vous aujourd'hui des bacheliers qui sont incapables, quand vous les tendez, moi je suis reporter, quand vous les interviewez, la dernière fois, moi j'ai interviewé un élève, candidat, terminal A4. Je lui demande qu'est-ce que vous pensez, il me dit, ah, toi, je ne sais pas, que Dieu nous aide. Nous, on n'est pas là. Vrai, Parce qu'il y a un système qui a été fait, le fait de supprimer l'anticipé. Parce que l'anticipé au départ nous permettait de lire la littérature africaine, de connaître, de maîtriser. C'est parce que c'est pas que on nous, on nous apprend, nous sommes formés. Or que le système éducatif nigérien a arrêté de former depuis 1997. À partir de l'école primaire, la, rentrée scolaire 2017-2018 à l'école primaire, ceux qui ont commencé CI, le cours élémentaire, c'est euh, comme on appelle euh, d'initiation, à partir de cette rentrée scolaire, ne sont plus formés. Ah C'était dans la masse. On, va, on, va, continuer avec vous. Il parle, euh, en fait, il y a plusieurs aspects qu'il évoque, mais il y a quand même l'aspect ressources humaines. C'est de ce point de vue que le ministre a, jugé utile euh, cet aspect, l'évaluation oui, des enseignants. Je ne comprends pas. Mhm. L'évaluation, au juste, c'est pour quoi faire Est-ce que c'est pour euh, renvoyer les moins méritants est-ce que c'est pour les envoyer euh, à l'école en formation euh, À quoi ça peut servir Parce que que je sache, euh, depuis que nous tous étions au primaire, l'école a son propre système d'évaluation. Mm-hmm. Les conseillers sont là pour ça, les inspecteurs sont là pour ça, et chaque année, le directeur en lui-même est un encadreur des autres enseignants. Les CAPED sont là pour vraiment évaluer et relever le niveau, renforcer les capacités des enseignants. Si tout ça ne marche pas, de euh, une évaluation contestée et que je trouve mm. contestable, n'est-ce pas contestée par les, syndicats, euh, plusieurs syndicats, et qui sont très représentatifs, que les gens se présentent, pardon, que les gens se présentent, on sait pourquoi. Parce que c'est une question d'emploi. C'est une question d'emploi. Aujourd'hui, les gens ont peur. Ce, n'est pas qu'ils ne sont pas d'accord avec leur syndicat. Mhm. Il faut être très clair. les gens ont peur d'être révoqués. parce qu'ils sont le soutien d'une famille. Ils n'ont que ça comme ressource. Et d'ailleurs, c'est ça que les gens, qui, c'est ce qui a fait que les gens sont allés à l'enseignement. Mhm. Ce n'est souvent pas leur vocation. On le sait. Et c'est l'État qui est allé les chercher. C'est des gens euh, qui, qui, ont quitté les bancs depuis 20 ans. C'est des personnes qui sont formées pour, euh, je ne sais pas, suivre les animaux, euh, pour faire de, l'élevage. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec l'éducation, l'enseignement des enfants. Jusque-là, jusque-là, aucune pédagogie. il n'y a, pas eu de terrain, a pas eu de terrain d'entente jusque-là. Il y a des gens qui. Moi, je pense que, sincèrement, oui, euh, le, le, le, gouvernement, fait, pour gouvernement doit prochaine avoir le dos large mhm. pour accepter qu'il est sur une fausse route. C'est-à-dire, quand on est gouvernant, on ne peut pas se dire j'ai raison, j'ai la force euh, j'ai le monopole d'ailleurs de la force, comme certains le disent, et que je peux imposer ce que je veux. Mhm. Non, allons-y vraiment dans, euh, dans un sens où euh, il y va de l'avenir de ce pays-là. Si l'école telle qu'elle est actuellement continue pendant dix ans, le pays s'écroule de lui-même. Ouais. Ce n'est pas qu'il ne faut pas le régime que, les gens qui font pour défendre le régime, quoi qu'il en soit, ce régime, il est passager. Ils doivent Comme sur une table de négociation pour pouvoir trouver une solution. Oui, bien sûr, il faut s'asseoir. Nous l'avons dit ici même, nous l'avons répété. Négocier, ce n'est pas une faiblesse. Et c'est de l'apanage du gouvernement. Si le gouvernement n'accepte pas, personne ne peut euh, négocier. On va continuer pour aborder autre chose. Parlons à présent du délibéré du jugement au fond de notre confrère Babalfa, de son père et d'Omar Khalil, auteur d'un faux témoignage. Deux enfermes pour les deux premiers et 600 000 francs d'amende. Et pour le troisième condamné, un enferme de prison et 100 000 francs d'amende. Garé, est-ce que vous avez été surpris d'une telle condamnation Avant que je n'aborde ce sujet, puisque je n'ai pas eu l'occasion de répondre concernant... Vous avez eu l'occasion Non, je pas eu l'occasion. Vous avez laissé assez de temps. Euh, laissez-moi quand même même un peu rectifier les choses. Parce que bon, me dit qu'il y a un système d'évaluation dans le système de l'enseignement. Non, ce que le système a montré, c'est limite, il y a trop de laxisme. Mm-hmm. Parce que tout le monde sait qu'il y a des enseignants qui ne savent même pas écrire leur nom. Donc, alors, s'il faut faire. Il fallait, corriger cela, mais il faut qu'on trouve un terrain d'entente quand même. Il faut qu'on Soit on fait quelque chose ou on ne fait rien. Mm. Et moi, je sais que si on ne fait rien, c'est toute une génération qui va sacrifier. L'évaluation. Oui, oui c'est une solution parce que le ministre l'a expliqué. On revient, on revient. Le ministre l'a expliqué. Ceux qui sont carents. On revient. Euh, euh, il faut que les gens acceptent que le Niger, c'est quand même un état de droit. Parce que j'ai vu ce que euh, le, brûlot de Reporters sans frontières, n'est-ce pas Et, je j'ai pas du tout apprécié parce que c'est comme si le Niger n'est pas un état de droit. Moi, j'ai souhaité, au cours d'un débat, avant ce, ce, ce, ce verdict-là, une clémence à l'égard de Baba Alpha et de son papa. J'ai souhaité la clémence. Mais vous savez, sur les réseaux sociaux, les amis, du Baba Alpha n'ont pas rendu service à Baba Alpha. Qu'est-ce que vous avez dénoncé ou qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans le communiqué de RSF oui, le communiqué de RSF parle de euh, euh, un procès unique, n'est-ce pas Et il demande au gouvernement de, revoir le, comme si le Nigeria n'a pas une séparation de pouvoir, comme si euh, <laughs> l'autorité peut, décider que Vous, pensez que Baba Alpha serait en ce moment arrêté s'il n'était pas journaliste Non, mais écoutez, je vais vous expliquer une chose très simple je eh, prends un exemple pour moi, n'est-ce pas mm. Si par exemple, eh, eh, moi on me considère comme quelqu'un qui est fidèle, qui, est proche du régime. Bon, Hamamoud est au pouvoir, donc je suis un opposant, n'est-ce pas Bon, je fais des critiques sur les débats, c'est sûr que je gêne Hamamoud. Mais je dois faire attention, parce que si je commets un faux pas, moi je ne serai pas protégé. Donc si moi j'escroque, monsieur DJ, vous me donnez 100 000 francs à donner à quelqu'un, je bouffe c'est pas la liberté de la presse qui va me protéger, non. Et là, mais à ce niveau, avoir... justement, c'est ce que certains dénoncent, c'est l'injustice parce qu'on a l'impression que la justice n'arrive pas à atteindre un certain nombre de citoyens Non, moi, Ça veut dire que certains commettent des fautes et ils sont protégés. Par écoutez, euh, écoutez-moi, très bien, si aujourd'hui vous escroquez quelqu'un, hein? vous êtes journaliste au studio Kalangou, vous allez partir en prison. <laughs> Alors, nous bien. Non, non, attendez, non, Non, vous ne pouvez pas. Non, c'est très important. Il faut me laisser parler parce que j'ai l'impression qu'on euh, on veut écouter mes paroles. Je le dis, je le répète. Le temps, non, c'est pas le temps. <laughs> vous devez être juste. Quand je prends la parole, donc j'ai dit, quand les gens, un journaliste commet, moi je ne dis pas que Baba Alpha, parce que Baba Alpha, jusqu'à preuve du contraire, il bénéficie quand même de la prison la présidence parce que le verdict n'est pas définitif. Mhm. Il n'y a pas eu un verdict définitif, c'est-à-dire qu'il y a des recours à faire. Et je crois qu'il a fait appel dans la lettre qu'il a écrite. Mais j'ai dit, il faut que nous fassions attention. Nous, en tant que journalistes, nous n'allons pas nous cacher derrière la liberté de la presse ou la dépénalisation pour partir escroquer des gens ou voler des choses ou faire des faux billets. Non, non, non, non, non, non. Il faut que nous fassions attention. C'est tout ce que j'ai dit. Nous devons être exemplaires dans nos comportements. Voilà. Oui, euh, Issa Madougou, c'est quand même une décision de justice. Il faut respecter une décision de justice. mais juste un petit mot pour qu'on puisse accélérer. Oui, continuer. oui, il ne faut pas jeter des discrédits sur la justice. Tout à je fait. entièrement d'accord sur ce point. Mais quand même, j'ai dit que Baba Alpha, cette affaire, si Baba n'était pas journaliste, je il vous assure ne serait pas, il dans cette affaire. Mm. Garé, je lui donne l'exemple. Il a cité un exemple. Je lui donne Garé est proche du pouvoir aujourd'hui. oui, mais je vous assure que Garé, si aujourd'hui il tourne sa veste demain, il écrit. Oh, non, il n'y a pas dans ses écrits. Il est véridique et ce qu'il raconte, il est fait qu'il rapporte sont vérifiables. Je vous assure que même demain, on va dire que Garé, c'est le cousin du président somalien. On va le chasser. c'est comme ça. Il faut le dire. C'est pas parce que vous êtes attaqué. On n'a pas, on assez de temps. Arimi, va dire un mot et on va, on va continuer. Parler, s'il vous plaît. Euh, moi, je pense que au-delà de tout, euh, on doit respecter la décision de, ce dit, justice, mhm. euh, mais aussi la confraternité. Euh, doit être au-delà de nos considérations mmh. euh, politiques, euh, ce qui fait que nous sommes très sensibles mmh. et nous apportons vraiment notre soutien à Baba Alpha. Notre justice nationale a trouvé qu'il a fauté. ils lui ont certainement appliqué la peine maximale en la matière. Euh, bon, euh, il va devoir, si ça se confirme, euh, payer sa cash. Mais le commentaire de RSF, mhm. c'est une association de défense de journalistes. Ce n'est pas le régime qu'ils défendent. On revient, on revient justement. on revient, on revient sur ce communiqué. on dit le RSF qui condamne cette arrestation, la qualifiant de condamnation inique, disproportionnée dont le but n'est autre que d'écarter et de faire taire un journaliste réputé pour son professionnalisme et sa vision critique de la gestion des affaires publiques et appelle les autorités nigériennes à revenir sur cette condamnation ubiesque et au gouvernement de répondre à RSF qualifiant ses propos d'allégations insensées et attentatoires à l'image du Niger et d'affirmer que le gouvernement nigérien n'a surtout pas de leçons à fortiori d'injonction à recevoir d'une organisation dont le dirigeant le plus emblématique s'est révélé être un extrémiste raciste et xénophobe. Fin de citation, tout en réaffirmant sa détermination à protéger et à promouvoir toutes les libertés publiques, notamment les libertés de presse euh, et d'expression. Pourquoi, et euh, Issa, en fait, c'est quelle analyse vous faites euh, de ces deux communiqués Mais oui, mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, pourquoi aujourd'hui, en 2017, hum. précisément au mois de juin, ce, ce, communiqué de RSF pose problème Pourquoi autant où les mamans Abou et la Loquette ont été arrêtés quand ils ont fait leur communiqué, ils ont sali le eux c'était ils étaient même pas tendres ici ce communiqué était tendre hein, même le communiqué de l'époque le communiqué de l'époque de RSF était très dur contre le régime de la Ve République. Mais les gens l'ont pas critiqué. Mais pourquoi un juste un mot, hein, en une poignée de secondes, Gagé. pour que... Alors, soyons, objectif. Maintenant, on dit que RSF pense que le Niger n'est pas un État démocratique. Et à l'époque, comme RSF. Donc, à l'époque, le Niger, c'était pas un pays démocratique. Mais voyez-vous, les jeunes défendent les opinions à cause de leur intérêt. il, y a ce que Arimi a dit. on, va, accélérer. On va Arimi a dit. Moi, je voulais revenir là-dessus. La décision, les décisions de justice, il faut les respecter. Il faut les respecter. Il y a aussi la confraternité qui mhm. va au-delà de certaines considérations partisanes ou bien euh, je, crois que je vais laisser. Euh, Garer, la question, c'est. Ah. Je vais laisser Arimi dire parce qu'il voulait dire un mot, je crois, avant que je ne prenne la parole. Alors, ce sera pour terminer avec ce sujet. donc, attends, dans ce cas, je vais parler. <laughs> voilà ce que j'ai dit. Il faut comprendre deux choses. Parce que lui, il est en train de faire de la confusion. Issa Madougou est en train de faire de la confusion. Hum. Je ne sais pas dans quel état il est, mais il est en train de complètement mélanger les choses. Maman Abou et, Omar Laloketa, quand ils ont fait euh, quand ils ont été, quand le reporter sans frontières a été, a, fait sa déclaration, c'est parce qu'ils avaient été arrêtés à cause de l'affaire Meba quand il a fait des révélations. Oui, avec ils avaient été emprisonnés. le même cas que Ali Soumana. Non, attendez, on Soumana est de parler de Baba Alpha. Pardon, pas de confusion, s'il vous plaît. Non, c'est pas, pas une confusion. Non, attendez, parce qu'on est sur un débat. C'est pas une confusion. Moi, je fais une liaison avec ce communiqué. On est en de parler de l'affaire Baba Alpha. Il ne faut pas dire confusion. C'est pas une confusion. Attends, s'il te plaît. Bon, attends, laisse-moi, je peux parler? Mais vous pouvez parler, mais quand même, il faut même non, c'est une confusion. Non, c'est pas la confusion. Eh, s'il vous plaît. vous dites, vous dites ce que vous avez à dire, s'il vous plaît, en 10 secondes et puis on termine. Parce que. Nous sommes coincés par le temps. Il n'y a pas de problème. L'affaire Baba Alpha, je vous dis que nous, on a souhaité la clémence du juge. Hmm. On l'a dit sur les plateaux de télévision avant même qu'on ne vienne ici parce que nous nous racontons pas, nous n'attendons pas, d'être invités sur le studio de Kalango pour, pour, pour, pour, montrer notre soutien à Baba Alpha. Nous, on a été le visiter en prison. Donc, mais j'ai dit, ses amis ne lui ont pas rendu service parce que ses amis ont passé tout le temps sur les réseaux sociaux à insulter les juges. Mhm. Pourquoi, quand il y a des affaires, on demande la clémence du juge Parce qu'on sait que malgré la peine, malgré la faute que la personne a faite, on considère que le juge, on va demander à ce qu'il soit, qu'il soit clément. J'ai dit les mêmes bout, c'est parce qu'un délit commis par voie de presse. Et pour le cas de Baba Alpha, c'est pas que je ne suis pas confraternel, mais j'ai dit que c'est une affaire de faux, c'est différent. Donc c'est pourquoi je parle de confusion. Point très. Nous bah, allons, nous avons euh, Issa nous avons plusieurs sujets à aborder, s'il vous plaît. En fait, on n'a pas le temps de polémiquer. C'est juste chacun a ses avis. En fait. donc euh, nous allons euh, parlons à présent de cette réélection, une troisième fois consécutive euh, du colonel euh, major Jibril Himadi Pelé à la foot, euh, C'était à l'issue de l'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne de football dimanche passé. Il a remporté l'élection avec 101 euh, voix contre 26 pour son challenger euh, Salif Mayaki. Arimi Abba, vous aviez tout suivi et vous étiez présent à Maradi pour cette élection avec toutes ces contestations et dénonciations qui ont précédé le vote. Qu'avez-vous à nous dire en tant que fin connaisseur du sujet? Écoutez, euh, moi, euh, comme vous le savez, je suis pour l'alternance euh, et j'avais fondé sincèrement l'espoir que cette fois-ci, le colonel major allait, major allait être remplacé mmh. à, ce poste. À ma grande surprise, vous avez vu le score. Mais à mon sens, le, ce score ne reflète pas euh, on se connaît hein, dans, notre pays, beaucoup de, sports, de scores de, des élections ne reflètent pas sincèrement les positions même des, des, acteurs. Euh, c'est ce qui est arrivé. Et Sinon, il est, de loin victorieux quand même. Il est de loin victorieux, justement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Euh, en fait, il faut faire extrêmement attention avec euh, les chiffres. Quand le vote est organisé dans certaines conditions, c'est normal que celui qui est au pouvoir, entre mhm, guillemets, mhm, mhm. Euh, ait certains résultats. Euh, selon, parce que nous, on n'avait pas accès à la salle, selon ceux qui avaient accès à la salle, certaines euh, conditions de, vous savez, on parle de, vote, de bulletin secret, de, scrutin secret. ce n'était pas du tout le cas. Vous êtes libre de revenir avec le bulletin de l'adversaire de, de, de l'autre camp. Euh, les bulletins de que, vous n'avez pas utilisé pour jeter dans le dans l'urne, vous jetez dans un carton, donc après vous, c'est très visible. Il y a certains, pour dire, il y a certains, euh, comment, comment on dit, euh, dispositions de, de, transparence, mais aussi euh, de, de, de de validité vraiment de, ces, de ce vote-là qui n'ont pas été garantis. Et du coup, le, lui, il en est, parce qu'ayant organisé les élections, il est sorti victorieux. Il faut souhaiter que c'est le bon choix pour notre football, mhm. parce que depuis son deuxième mandat, d'abord le MENA de nos équipes nationales ne gagne pas. Et j'espère qu'il va renouer avec la victoire, tout simplement. Il faut aussi dire euh, que euh, sur le plan sportif, euh, toujours, il y a les huitièmes Jeux de la francophonie qui commencent aujourd'hui et ces Jeux vont prendre fin le 30 juillet prochain. Nous aurons sans aucun doute l'occasion de revenir sur ces Jeux de la francophonie. Et, mais qu'est-ce qu'il y a lieu à dire par rapport aux préparatifs Il faut dire que l'équipe du Niger devait partir depuis le mercredi. Il a fallu attendre hier pour que l'équipe démarre. Issa un mot rapidement. Nous avons juste deux, minutes pour terminer. Oui, c'était c'est vraiment un secret de professionnel pour l'opinion parce que tous les, les, les les fédérations, toutes les fédérations qui devront amener des athlètes au départ, ont dit qu'ils n'avons pas les moyens nécessaires, même dans les préparatifs. Donc il faudrait mettre les moyens pour qu'ils arrivent à temps pour pouvoir continuer la préparation. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le sport devrait avoir un financement conséquent au Niger. Le sport, ça réunit les Nigériens. Vous avez vu le cas de Alphaga. Aujourd'hui, Alpha fait la fierté du Niger. Parce que tout simplement, les moyens étaient mis à sa disposition. Gardez un mot par rapport à ça. Je, suis d'accord avec ce que, pour une fois, avec pour une fois, parce que c'est le sport. <laughs> je suis d'accord avec eux. Et, surtout pour la question de la question de la je crois que Arimi sait de quoi il parle effectivement, j'ai un peu suivi le processus. Il Oui, oui, il, connaît, je crois qu'on doit prendre ces critiques en compte. Et surtout le fait que la commission, la commission électorale, je crois que la FINIFOOT, elle est mise en place par le président lui-même, sortant. Ça, c'est une anomalie qu'il faudrait corriger. il faut prendre... par Oui, il faut, il faut, par rapport, euh, toujours, au sport, hein, nous sommes presque au terme de ce forum. Un dernier sujet a hein, marqué l'actualité cette semaine, c'est la déclaration d'un collectif du syndicat qui exige euh, le départ du ministre euh, Kassoum ce qui peut conduire jusqu'à cela, Issa Madogo Non, ils ont relevé un certain nombre de points. Hein. Je suis entièrement d'accord quand il y a des bavures qui sont commises dans l'exercice de la fonction et que vous présentez les preuves. Je suis d'accord, vous pouvez le faire. Mais quand même, c'est Oui, des Et, le, temps, qui nous est déjà à sa Nous étions pour ce forum euh, dans le studio Kalango avec Gary Amadou, journaliste euh, au journal euh, La Nation, Issa Madougou, journaliste au groupe de presse RTT, Arimi Abba, journaliste à la radio Alternative. Et c'est ici que se referme le forum de la presse du studio Kalango. Au micro, c'était Michel Dégé à la réalisation, Bouboukar Diallo à la technique, à Librahim. Merci d'avoir été des nôtres et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Je vous souhaite de passer un excellent début de week-end et au revoir.